Alors, euh, quelles, sont vos premières réactions Bon, d'abord, rendons grâce à Dieu. Il nous a permis de sacrifier à une forte tradition démocratique en exerçant notre, notre droit de vote euh, comme euh, tous les Sénégalais. Je constate d'abord une très forte affluence au niveau des deux lieux de vote qui composent le centre de vote de Tchadjaï où les citoyens euh, exercent leurs droits de la manière la plus paisible et dans un bon esprit, une très belle ambiance fraternelle qui caractérise Tchadjaï parce que Tchadjaï, c'est euh, une forte communauté fondée sur la solidarité, l'amitié et la fraternité. Nous euh, recommandons de poursuivre cette ambiance de confiance et de respect mutuel pour que tous les militants, tous les sympathisants, tous les électeurs puissent exercer ce droit qui est un droit fondamental, un pilier important de notre, de notre démocratie. Donc je suis extrêmement satisfait de ce qui se passe ici. Les coalitions sont représentées dans des bureaux de vote avec des représentants responsables. Les présidents de bureaux de vote euh, euh, accomplissent euh, dans la sérénité et la lucidité leur mission. Nous encourageons ces attitudes et nous euh, réitérons encore une fois notre disponibilité à accompagner le processus dans la paix et euh, dans la plus grande tranquillité. quel appel lancez-vous Parce que euh, campagne def def élection voter voter droit bu fondamental buy une démocratie donc lolo, motax euh, dama gëm né citoyens yépp dañu wara ñëw en dépit des contraintes du mois de Ramadan en dépit de la chaleur ñu ñëw exercer leur droit de vote